le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du Studio Kalangou au micro Hamadou Moumouni. Les programmes du Studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Enfani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Berningaure, Tirozérine, Magaria, Mainasoroa, Tamaske, Bouza, Dolbel et Saï. Notre page Facebook Studio Kalangou notre site internet www.studiokalangu.org. La culture de la paix. La culture de la paix, c'est un ensemble de valeurs, d'attitudes, de comportements et de modes de vie qui rejettent la violence et préviennent les conflits en s'attaquant à leurs racines par le dialogue et la négociation entre les individus, entre les groupes et entre les États. La paix, même dans un pays stable et sans crise, doit être cultivée pour prévenir le désordre, l'insécurité, la violence et leurs corollaires Parmi les acteurs qui doivent cultiver la paix dans une communauté, dans un pays, il y a certainement les fidèles de religion du livre. Au Niger, s'il y a une structure qui porte cette culture de la paix, c'est bien le CEDIR, le Comité du dialogue interreligieux de la de la région de Niamey. Le slogan du CEDIR, c'est Ensemble, bâtissons main dans la main une paix durable. Cela dit, tout sur son ambition de participer à la consolidation de la paix et à l'amélioration de la stabilité sociale dans un pays comme le Niger, le Niger dont la paix est justement menacée à l'est avec la guerre contre la secte Boko Haram et à l'ouest par une insécurité au quotidien du fait notamment de la situation au Mali. Alors comment les religions, je veux parler du christianisme, de l'islam par exemple, peuvent nous aider à consolider la paix au Niger En quoi peuvent-elles contribuer à la paix Quelles sont les racines de la violence et de la guerre Comment agir ensemble dans le respect des spécificités de chaque religion pour bâtir une paix durable Qu'est-ce qui a été déjà fait pour la culture de la paix Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, nous avons invité des membres du CEDIR. Le CEDIR et le studio Kalango sont liés par un partenariat justement pour la promotion de la paix au Niger. Nos invités, à ma droite, Alou Hamameika. Bonjour Monsieur Alou. Euh, bonjour, monsieur. Merci d'être venu. Vous allez vous présenter. Je m'appelle Alou Hamamaiga. Je suis secrétaire général du comité de dialogue interreligieux de la région de Niamey. Merci d'être venu. Je vous Ça fait plusieurs fois que vous venez ici, dans ce studio. Il y a monsieur Jean-Baptiste Kafandou. Monsieur Jean-Baptiste, soyez le bienvenu. C'est la première fois que vous venez. Oui, c'est la première fois. Oui, et vous allez présenter un peu. Euh, moi, c'est le père Jean-Baptiste Kafando. Je suis présentement le curé de la cathédrale de Niamey. Voilà, et je suis venu partager aussi ce que mm-hmm. pense l'Église par rapport à la culture de la paix. De la paix. Merci beaucoup, Père. Et à ma gauche, euh, il y a M. Sani Suleiman. Oui, euh, bonsoir. qui euh, connaît le studio déjà. Voilà, oui, Sani Suleiman. Donc, je suis secrétaire à l'organisation du comité du dialogue interreligieux de la région de Niamey. Merci, monsieur, d'être venu. Voilà, chers invités, chers auditeurs, j'ai parlé de la culture de la paix sans qu'on définisse peut-être ce que c'est la paix. Donc, euh, pour ça, je, vais directement passer la parole à Lou qui est à mes côtés. Monsieur Lou, la paix, qu'est-ce qu'il faut entendre par la paix La paix, il faut dire que c'est un comportement, c'est un engagement et c'est une détermination de ce qu'on doit faire, dire et surtout ce qu'on doit s'engager à maintenir. Donc, au, point de vue religieux, c'est dans le comportement de tous les jours, on doit inspirer, défendre la paix en question pour un mieux vivre dans la société. Et comment ça peut se caractériser euh, de, façon concrète De façon concrète, c'est le fidèle doit en, en, considérer l'autre au même titre que lui. Ce que vous voulez, euh, et surtout la tolérance, c'est très important pour la consolidation de la paix. Tolérer l'autre dans sa différence, dans sa, façon, de voir. sa façon de voir et tout, puisque en matière religieuse, euh, pour toutes les, euh, les religions monothéistes, la religion, en matière de religion, il n'y a pas de contrainte. Il faut s'engager se vouloir et surtout se laisser à l'esprit, à l'intention de chacun, comme le dit le Coran, mm. hein, Dieu, pour les djinns et les êtres humains, il leur donne la possibilité de choisir. Sani quelque chose à ajouter justement <coughs> eh, Donc, euh, la tolérance, comme tu disais la paix. Al-Islam veut dire la paix. al Le mot islam. Voilà, ça veut dire la paix. Donc, euh, l'islam encourage la paix, mais qu'il affirme au cœur de son intimité de ne pas connaître violence. 1. L'agressivité, la haine, l'excitation, parfois la colère. Donc, le euh, prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quelqu'un qui a demandé autant de prophètes, prophète, euh, il a dit là tagadab. Il a dû me conseiller, il a dit il faut jamais fâcher. Il était encore de retour, il a dit il faut me conseiller, prophète a dit il faut pas fâcher. Pourquoi Parce que quand tu es en colère là, tu peux tout faire dans ta vie. C'est pour cela le prophète a dit de ne pas être en colère. Euh, euh, comment dire, de ne pas être en colère quoi. Pourquoi Parce que euh, si tu es en colère, tu peux tout faire dans ta vie. C'est pour cela la paix dans la religion ou bien dans toute dans toute ta vie, si tu as la paix, tu as tout. Quand tu vois eh, parmi nos frères chrétiens, et eh, ils sont très patients. Très patients. C'est un élément important. Voilà. C'est pour cela, oui, on a fait un comité avec eux du dialogue inter religieux mm-hmm. pour la paix, on pour la ça. de Merci la paix. pour cette définition, mm. Monsieur Sani. Père Jean-Baptiste. À tout cela, je voudrais ajouter l'amour. Quand on parle de paix, on parle d'amour. Et je pense que eh, eh, nous sommes des croyants. Dieu, en nous créant, il l'a fait par amour. Et il veut que nous soyons dans cet amour-là. Voilà. Et eh, le maître mot pour vivre ensemble, il faut cet amour. En plus de, de la tolérance, il faut l'acceptation. L'amour veut dire s'accepter. Accepter les différences. Voilà. Parce que nous sommes tous différents. Et si nous regardons le corps humain seul, tout ce que Dieu nous a fait en double, ils sont différents. Tout ce que Dieu nous a fait en double. Les yeux. Les deux yeux, ils ne sont pas pareils. Nos deux oreilles ne sont pas pareilles les mains, les doigts de la main ne sont pas pareils. Mais c'est dans cette différence-là qu'on peut travailler avec nos mains. Si nos mains avaient même dimension et même longueur, on n'allait pas pouvoir prendre des choses. Donc Dieu a fait cette différence-là pour qu'il y ait complémentarité. L'homme et la femme, pour qu'il y ait complémentarité. Et c'est pour cela que nous devons cultiver l'amour. Faire en sorte que cette différence nous pousse plutôt à mettre l'amour entre nous, le bien vivre ensemble. Le bien vivre, justement, comment ça peut se caractériser, comment ça peut se concrétiser entre des gens qui sont différents, entre des gens qui n'ont pas la même façon de penser. Exactement. Il faut se connaître d'abord. Il faut se connaître, me connaître. Et en matière de religion, connaître correctement ma religion. C'est quoi l'islam il vient de le dire, c'est la paix, voilà. Quand je connais très bien ma religion, c'est Deuxièmement, je cherche à connaître la religion de l'autre. Et quand je connais la religion de l'autre, je regarde maintenant qu'est-ce qui nous réunit. Généralement, entre les religions, ce qui nous réunit dépasse largement ce qui nous divise. Et on se contente sur ce qui nous réunit. Les religions du livre. Voilà, les religions du livre. Qu'est-ce qui nous réunit Et ce qui nous réunit, c'est la paix. Moi, j'ai parlé d'amour la palette de la tolérance, de l'acceptation du soi. Voilà des choses qui nous réunissent. Et c'est quand on les reconnaît, quand on, s'attable dessus, qu'on peut construire la paix. Voilà. Toutes nos religions nous ont donné toutes les pistes pour construire la paix. Hmm. Si nous les suivons correctement. Euh, quelles sont ces pistes Deux, trois pistes l'acceptation de l'autre. Ok, d'accord. Voilà. Moi, je suis chrétien, lui, il est musulman. On est assis sur la même table et on regarde ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Il a cité le, prophète. Le prophète a, toute sa vie durant, essayé de cultiver cette paix. Jésus. Par dit, les comportements. Par les comportements. Jésus dit aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui, qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Donc, l'amour est premier. Et enfin, il dit aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'a pas dit les chrétiens, il n'a pas dit les musulmans, quelle que soit la, différence que, vous avez avec l'autre en face. Voilà. Donc, l'acceptation de l'autre, l'acceptation de la différence et cultiver ensemble qu'est-ce qui peut nous réunir Qu'est-ce qui peut être commun que nous pouvons nous attabler sur ces valeurs-là. et, minimiser les différences. Et minimiser les différences. Euh, monsieur Alou, vous n'avez pas donné euh, ce qu'il faut. Comment ça se concrétise quoi euh, bon, La concrétisation, ah, c'est Qu'est-ce que l'islam dit L'islam, dans ce qu'il y a de, plus profond, c'est toujours l'être humain. Il faut accepter l'autre, vouloir à l'autre ce que tu voudrais toi-même. Tel qu'il Et l'islam a dit que celui qui aide son prochain ici-bas, Dieu l'aidera dans l'au-delà. Cela veut dire que quand vous voyez votre frère dans les difficultés, quelles que soient les difficultés, apporte ton soutien, aide-le à sortir des situations précaires dans lesquelles il se trouve. Un, un, premier élément. Ah, euh, euh, par exemple, que ce soit maladie ou difficulté dans la vie, il y a toujours des difficultés. Donc, aide-le à sortir de ces difficultés. Et cela sans tenir compte du fait que, à ah, il est de telle religion, de telle ethnie ou autre. C'est un être humain comme toi, aime-le tel que tu t'aimes toi-même, que tu voudrais qu'on puisse t'aimer et t'aider. Un exemple concret. Ça Sani va donner un autre exemple. Par rapport à ce qu'ils ont dit, il y a un verset qui dit eh, Inna min zakarin wa unsa shu'uban inna Dieu a dit dans le Coran Ô vous humains, vous vous avez créé à partir de mâles et de femelles. Nous vous avons réparti en peuple et en tribu pour que vous reconnaissiez mutuellement. Donc on était créé d'un mâle et d'un femelle. Hein? Par exemple, les chrétiens et les musulmans, ils étaient créés Adam et Hawa. Mais pourquoi tu peux, Voilà. Pourquoi tu peux, comment dirais-je, moquer ton ami ou bien ton frère chrétien Ça, c'est illicite, quand même. C'est pas bon. Mais la religion, c'est différent. Lui, il est chrétien, moi, je suis musulman. Mais on était créé par exemple, même quand tu es avec quelqu'un, même par même mère, mais lui c'est un chrétien, lui est musulman, est-ce que tu vas dire que vous, n'êtes pas même par même mère C'est ça la différence. Hein? Donc, euh, la religion, euh, chacun a sa religion. Hein? Donc ça, euh, comme les gens disent qu'il ne faut pas, comment dirais-je, d'aller chez les chrétiens, de dire n'importe quoi, ça, ça, ça c'est de l'ignorance. Hein? Ça, ça, ça n'amène pas la paix dans notre euh, dans notre pays. C'est pour cela, chaque fois, le CEDIR encourage la paix et la tolérance. On a fait beaucoup des ateliers sur ce qui concerne la paix et la tolérance. Mm, donc, c'est cette idée d'amener les gens à accepter les différences, à accepter l'autre, à aider l'autre qui a amené à la création du CEDIR. Et voilà, oh, nous en sommes là. Euh, qu'est-ce que vous avez pu faire justement dans la culture de la paix, Jean-Baptiste eh, Non, dans, nos, prêches, nous cultivons, nous exhortons hein, à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, comme je l'ai dit, préconise et apporte la paix. Son message, c'est je vous amène la paix, je vous donne ma paix. Donc la paix même qui vient de Dieu. Pour que nous puissions vivre en harmonie entre nous, que nous puissions vivre en cohésion entre nous. Voilà pourquoi je donne un exemple concret d'un acte posé. Hmm. À, travers le se dire hein. Ah, oui. non, à travers le CEDIR, euh, non, mais à travers... Euh, Donc, avant de venir au CEDIR, donnez votre exemple, oui. Euh, c'est un exemple que nous connaissons tous. Quand il y a eu les événements des églises qui ont été brûlées... En janvier... Voilà, en janvier 2015, notre archevêque a tout de suite sorti un mot pour dire « Nous pardonnons à ceux qui nous ont fait ça. Malgré ce qui est arrivé. Malgré ce qui est arrivé. Les gens ont pensé que... Eh, non, mais c'est un message de, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pas de la faiblesse. Oui, c'est pas de la faiblesse. Euh, Jésus dit, quand on te ici, il faut donner là. C'est le pardon. C'est pas facile. En Bien sûr, le pardon n'est pas facile. Ne, ne pensez pas que bon, vivre dans le pardon c'est très facile. C'est très difficile de pardonner. Mais justement, qu'est-ce qu'il faut préférer Mes bons rapports avec Dieu ou mes mauvais rapports avec mon voisin chez nous, tout va ensemble. Si tu veux du bon rapport avec Dieu, commence par avoir du bon rapport avec ton voisin. Voilà. Et comme je le répète, Jésus dit, aimez-vous comme je vous ai aimé. Ce n'est pas aimez-vous comme j'aime le euh, manger, comme j'aime. Non. C'est comme je vous ai aimé. Et nous savons comment Jésus nous a aimés. Son amour pour nous a été jusqu'à mourir pour nous. Son amour pour nous a été jusqu'à donner un discours qui va à contre-courant du discours habituellement humain, de la logique même humaine. Voilà. Donc, devons grand. Voilà, euh, faire. Euh, euh, monsieur Malamalou, il a donné l'exemple des événements de 2015. Oui, effectivement, nous, le reconnaissons tous que, les événements, les malheureux, les événements douloureux du 16 et 17 janvier 2015 nous ont tous surpris. Et surtout, on, est, on était, ça nous a laissé tous abasourdis mm. puisqu'on on ne s'attendait pas. Rien ne présageait ce, genre de comportement, surtout que sachant que tout le temps, l'exemple concret, nous, au niveau du CEDIR, effectivement, nous sommes intervenus les premiers sur le les... Le CEDIR existait déjà Le CEDIR existait déjà. Et moi, personnellement, je suis intervenu à Radio Enfani pour dire plus jamais cela et que cela ne pouvait pas se comprendre qu'on puisse s'attaquer au bien d'autrui et que ce pas musulman. La religion n'a jamais enseigné dans ce sens et nous avons tous dit, nous avons dit que c'est nous les parents qui étions vraiment laissés pour compte. Ça nous a échappé puisque nos enfants ont montré qu'ils manquent d'éducation religieuse c'est ce manque d'éducation religieuse qui les a poussés à, ce dérapage-là, euh, à, ce comportement inadmissible, inacceptable. Et jusqu'à présent, vraiment, nous avons cela sur le cœur parce que nos frères chrétiens ont réagi de la meilleure manière qui soit, de la meilleure meilleure religieuse, en pardonnant. Mais le pardon, ça se mérite. Hein. On vous a pardonné, mais vous, il faut mériter ce pardon aussi par votre comportement, comprendre que effectivement, il y a eu quelque chose qui ne devrait pas y avoir. On ne devrait pas, et plus, jamais, ça ne doit pas se répéter, et surtout continuer dans ce sens à enseigner, à surtout à euh, demander un changement de comportement pour que déjà un comportement responsable et que plus jamais cela. D'accord. Madame Sani, la culture de la paix à travers des événements malheureux. Oui, oui ce qui m'a étonné vraiment, euh, lorsque ça s'est passé du 16 au 17 là, lorsque l'archevêque était sorti. comment ils ont dit tout ça, tout ce qui s'est passé là, ils ont pardonné. ce qui m'étonne, mais si, si c'est nous les musulmans, mais vraiment avant de se pardonner, il y a quelque chose qui va se passer. Vraiment, ils sont là, ils sont honnêtes. Tu sais le problème Parce qu'il y a un hadith du prophète, il a dit Tout celui qui, t'a fait mal, il faut lui pardonner. haramak Tout celui qui a eu quelque chose, il t'a pas donné, mais toi, si tu as eu, il faut lui donner. Mhm. Hein? Et, encore, le, le, troisième, il a dit quelqu'un qui t'a. Comment dirais-je qui, te rendent visite, quoi. Hein? Et, elle ne te rend plus la visite, toi, il faut lui rendre visite. Tu as vu, ça, ça c'est quelque chose que les chrétiens. Qui... moi, au moment qu'on a créé le sédir c'est en ce temps-là que j'ai affronté les chrétiens. Mais j'ai vu tout ce qu'ils ont en train de faire là c'est par rapport au hadith. Dans le temps, vous avez un préjugé eux Oui, bon, tu sais, eh, je, les ai bien écouter et je les, je les rendre visite, mais vraiment, ils sont euh, honnêtes. Mhm. Hein, et ils sont vraiment ils sont faciles quoi dans, la culture quoi dans, toutes les commandes dans, le vivre ensemble dans la promotion de la paix voilà oui dans la construction de la paix ils sont ils ont amené leur commandes euh, leur contribution quoi, hein, pour la culture de la paix. Mmh, Mais vraiment, euh, on était avec eux avec euh, une bonne foi. De tout Donc, on souhaite le bon Dieu qui nous conduise, qui guide nos pas avec eux. quoi. D'accord. Père Jean-Baptiste, qu'est-ce qui peut être à l'origine de la violence à l'origine de la violence. Quelle qu'elle soit, hein, euh, ça peut être mineur, ça peut, puisque ça grandit au, fil du temps. C'est l'intolérance. Et, qu'on doit éviter. Voilà, c'est l'intolérance. Le refus d'accepter l'autre. Le refus d'accepter la différence. Ça, c'est le premier élément. Voilà. Et quand on pense que même c'est pas seulement la violence euh, religieuse, même la violence ethnique quand on, pense que son ethnie est la meilleure et on cultive cela, ça veut dire que les autres, on veut les brimer. C'est le refus de la différence, le refus de l'acceptation de l'autre. Il faut que on puisse accepter la différence. Voilà. Deuxièmement, c'est la méconnaissance de l'autre. On ne se connaît pas. Chacun vit dans, sa, dans euh, son cercle fermé hein, et il ne connaît pas très bien sa religion. Il ne peut pas connaître la religion de l'autre si, moi je dis, si chacun connaît très bien sa religion, sa propre religion, la paix va être automatique. Parce que c'est ma religion qui m'amène à ça. veut dire que vous ne pouvez pas être un théologien, théologien et puis appeler à la violence, c'est ce que vous voulez dire Normalement, oui. Oh, euh, apprendre à connaître, c'est quoi ma religion Voilà. Et cela nous conduit automatiquement à aller à l'autre. Et nous, moi personnellement, quand je discute avec des érudits musulmans, je suis très heureux est très réconforté dans ma foi de chrétien. Est-ce que vous comprenez Le musulman qui, qui, qui, avec, qui connaît bien sa religion, quand on cause avec lui, je me réconforte dans ma foi de, de, de, de la, la possibilité ou bien des, des éléments en commun que nous avons. Et c'est très Donc, La connaissance. Maintenant, troisièmement, c'est eh, ce qui peut amener la violence là, c'est le, les prêches incendiaires. Nous avons, à côté des les efforts qui sont faits, euh, d'autres personnes qui, dans leurs prêches, insultent, provoquent, cultivent. Ici au Niger Ici au Niger. Il y a des cas. Ah oui, il y a... Des deux côtés, des deux religions ou bien c'est vous savez, quand on dit extrémiste, il y a des extrémistes de deux côtés. Il ne faut pas penser que l'extrémisme, c'est seulement musulman. Il y a des chrétiens extrémistes, comme il y a des bouddhistes extrémistes. Mais actuellement, eh, au Niger, les prêches incendiaires, ils sont de plus en plus des prêches qui amènent la violence. Il y en a de plus en plus. Et il faut que nous puissions cultiver et et laisser tomber ces prêches qui amènent et qui, qui cultivent la violence. Moi, je dis même, pour terminer, que euh, officiellement au Niger, on est à 99% de, de, musulmans. Alors, euh, donc l'islam a conquis. Mm. Il faut plutôt que nos, amis puissent euh, expliquer c'est quoi la, la religion au lieu de, de, perdre le temps pour critiquer les 1% qui n'ont aucune capacité de quoi que ce soit sur les 99. Est-ce que vous comprenez Oui, je, comprends. Donc, euh, on, a souvent l'impression qu'on passe euh, beaucoup de temps à insulter les 1%, à peine même hein, mhm. les 1% alors que nous avons les 99 qui ont besoin de savoir mm. comment je vais marcher, comment je vais faire ça. Ça rejoint le de la différence, quel qu'il soit, même si c'est minime. Exactement. Et comme euh, ce sont des leaders religieux qui font ces prêches-là, ça se réagit sur les autres comment Dans les réseaux sociaux, vous voyez maintenant, on n'hésite plus à insulter. On n'a plus le respect de l'autre on insulte parce que on n'est pas du même point de vue, je t'insulte. Mm. On n'est pas du même parti, je t'insulte. Tu ne penses pas comme moi, je t'insulte. Parce qu'on voit des personnalités, mm. Mm. des leaders religieux qui font ça. Alors, bon, pourquoi Nous donnons l'exemple. Et l'exemple, c'est pas seulement dans la parole, c'est et la parole et le comportement. Euh, on va donner la parole à Lou. <laughs> il a parlé de presses incendiaires. oui, effectivement, euh, ces presses c'est justement ce à quoi nous, au niveau du CEDIR, nous sommes, nous, sommes attelés à, essayer de réduire cet impact-là, parce que des écarts de langage, nous-mêmes, nous le constatons deux fois, et nous n'hésitons pas, à chaque fois que cela a été constaté, que nous attirons l'attention des autorités de droit euh, c'est à savoir euh, par, exemple le ministère euh, qui a la tutelle, l'autorité de tutelle, de tutelle aussi bien de, la population que au, niveau des médias et autres pour attirer leur attention que tel média, par exemple, il y a à partir de telle heure, écoutez vous-même, vous allez entendre des propos qui ont été euh, propagé par un leader religieux et que ce genre de, propos ne sont pas de mise et que ça, ça porte atteinte à la cohésion. Et l'autorité répond Et généralement, oui, nous avons des exemples concrets ces derniers temps, fort heureusement, qu'à chaque fois que nous interpellons les autorités, il, est, il y a quelque chose qui est fait et mmh. que nous constatons nous-mêmes de, de visu que ce genre de, ce, même bonhomme a été rappelé à l'ordre et que euh, qu'il ne puisse plus encore refaire ces mêmes écarts de langage et autres. Le plus souvent, ça a porté ses fruits et nous allons continuer dans ce sens. Alors, alors quelle, quelle doit être l'attitude du fidèle L'attitude, Le euh, ben, les fidèles, comme vient de le dire euh, Père Cafando, ben, les, fidèles généralement, ils, ils, ils voient le, les responsables, les leaders le, religieux, leader religieux devant eux, qui doivent être des modèles. Or, c'est à eux de donner la bonne image de leur religion. Hein? Vous ne pouvez pas vous prétendre être euh, leader religieux et vous mettre à, à, à proférer euh, des propos euh, insensés ou inédits ou inacceptables. Même la religion. D'abord, ça ne fait pas partie de la religion. Vous-même, vous savez que vous vous écartez. Or, votre, vos propres instincts ou autres ne, ne peuvent pas. Et le plus souvent également, il y a l'ignorance et surtout le manque de, euh, de, gens qui sont incultes ou qui n'ont pas voyagé. Puisque quand il vous arrive de voyager, vous allez vous-même vous donner une certaine idée de ce que c'est que la valeur de l'autre religion je le dis parce que moi, personnellement, je suis issu de, comment dirais-je, de deux familles, aussi bien au Niger ici qu'au Burkina. Donc, j'ai grandi dans une société où c'était les chrétiens la majorité par rapport aux musulmans. Mais à aucun moment, je me suis senti délaissé ou mal à l'aise. J'étais tout le temps, et puis personnellement, les parents à un moment ont cru même que j'allais devenir chrétien. Parce que tous mes amis, collègues à l'école, je me sentais à l'aise le dimanche, je vais à l'église. Il n'y a pas cet esprit de différence. Et la nuit, je viens, je prends, comment dirais-je, mon, ardoise religieuse et je lis le Coran. Ça n'a pas empêché, vous euh, êtes malade. Ça n'a pas empêché que je suis, j'ai même été en pèlerinage autre. Donc, ça dépend de. Parce que moi, j'ai grandi, par exemple, au Burkina Faso, oui, comme tout le monde le sait. Hein. C'est Sani, Madame Sani. Alors, il y a cet esprit de se faire connaître et puis cette euh, ces histoires de euh, euh, euh prêche incendiaire qui, qui, nuisent à, la promotion de la paix et mm. que le CEDIR doit tout faire pour... Oui, en réalité, je vais te dire que ça, c'est de l'ignorance. Pourquoi j'ai dit c'est de l'ignorance Parce que Dieu a dit dans le Coran, «» Le prophète n'a jamais insulté quelqu'un. Dieu a dit au prophète appelle les gens bil avec eh, une bonne prêche wal hasana hein, d'appeler les gens avec une bonne prêche. Pas, il ne faut pas les insulter. Hein? Il faut pas, les insulter. Eh. parce que le prophète il était resté à la Mecque avec les mécréants. En fin de compte, il a tout fait, il a lutté pour qu'ils deviennent des musulmans. En fin de compte, qu'est-ce qu'il a dit La Kumdin ou Hein? Vous avez votre religion, j'ai ma religion. Donc il faut que ça soit la et Ça dit tout. C'est tout. Hein? Et encore, en fait, qu'est-ce qu'il a dit Le plus fort n'est pas celui qui terrasse tous les autres. Le plus fort est celui qui maîtrise son ego et au moment de la colère. Au temps du prophète, il était resté avec les juifs, il était avec les, les chrétiens, mais il n'a jamais eu de problème. Mais pourquoi on ne peut pas avoir de son comportement. Les chrétiens les ont secourus, à ce que je à un hein. moment. Mais pourquoi à ce temps-là, quelqu'un va sortir et dire Ah, un chrétien est tel. Mais ce n'est pas bon. Ça, c'est de l'ignorance. Il ne connaît même pas l'islam. C'est ça qu'on appelle les extrémistes violents. Mais c'est n'est hein? pas, pas, euh, bien. Mais pourquoi on a dit l'islam L'islam, c'est la paix. Hein? Mais toi, tu es venu, tu es en train de citer un tel ou bien un tel, sa religion, alors que Dieu n'a pas dit ça et le prophète n'a pas dit ça. Donc, tu n'as pas bien compris l'islam. Parce que l'islam, c'est la paix. Euh, Père Jean-Baptiste, qu'est-ce que les CDI doivent faire Sur quoi il doit miser sur, quoi il doit mettre l'accent pour que cette culture de la paix soit une réalité et pour que ces des, exemples un peu malheureux, euh, mmh. qu'on les évite. Il faut qu'ils continuent dans ce sens, hein. continuer dans ce qui est fait actuellement. Et aussi, vous savez, actuellement, c'est la sensibilisation. Et les médias sont très importants pour amener la population à comprendre davantage. Donc en faisant ce genre de débat, cela amène les gens à s'asseoir ensemble. Parce que c'est ça qui est difficile. Hein. Tout à l'heure, j'ai dit la connaissance de soi et la connaissance de l'autre. On ne peut pas se connaître si on ne s'assoit pas. Et cette structure-là est très bien de mettre les gens à s'asseoir ensemble et à causer, à parler, à sensibiliser et ensuite à poser aussi des, gestes concrets de possibilité de travail ensemble. Voilà. Je ne sais pas euh, comment va se faire, mais pourquoi pas et, pourquoi pas donner l'occasion de faire des prêches ensemble. Comme euh, cette réunion. Voilà, comme cette, réunion. Que nous voilà, au studio que, que, que, on parle de la possibilité d'être ensemble. Ou bien, ce que vous vous dites, qui est très bien. Moi, je dis quand chaque fois quand je cause avec un, un musulman qui connaît bien sa foi, ça me réconforte. Et je sans doute que je ne suis pas le seul. Voilà. Donc, revenir sur ce que les livres nous ont enseigné. Ce que les livres nous ont enseigné. On ne peut pas trouver euh, euh, autre chose ailleurs de mieux Il n'y a, pas mieux ailleurs. Un appel aux leaders religieux qui justement font des appels. Euh, L'appel aux leaders religieux, c'est que nous puissions savoir que nous, ne travaillons pas l'un contre l'autre. Nous ne sommes pas des partis politiques. Voilà. Nous ne travaillons pas l'un contre l'autre. Ce que nous, nous voulons toucher, c'est le cœur, la conversion. La paix, c'est notre contribution au développement d'un pays. Donc, à ce niveau, c'est le politique qui doit faire appel à nous. Hmm voilà. nous allons, ce sera le, deuxième aspect de notre discussion. Voilà, euh, Père Jean-Baptiste parlait tout à l'heure de la paix euh, pour la construction d'un pays. Euh, nous sommes au Niger, le Niger menacé justement dans sa paix notamment dans sa partie est euh, et puis dans sa partie ouest avec l'insécurité. À l'est, c'est Boko Haram qui agit chaque fois. Euh, Monsieur Allo, qu'est-ce que la religion peut faire justement pour aider Ce que la religion peut faire, et surtout ce qu'on doit attendre des leaders religieux, c'est toujours la sensibilisation ne pas se fatiguer, c'est toujours chercher à amener les gens à un changement de comportement. Il faut que les gens puissent se parler, s'entretenir, se tolérer et surtout dialoguer. Alors, quand on tue son prochain, on dit que c'est la religion qui le dit. Bah, bah là, c'est la méconnaissance de la religion. C'est ceux qui utilisent malheureusement le nom de la religion pour pouvoir euh, mener euh, leur, bas instincts instinct à, la, chose euh, à leur manière, pour, ce sont des ennemis même de la religion euh, musulmane. Le plus souvent, on ne peut pas quand même euh, Dieu, quand vous entendez tous les prophètes, euh, puisque tous sont les prophètes de Dieu, hein, il n'y en a aucun qui a dit il faut tuer son prochain, il faut aimer son prochain, on dit, aime ton prochain tel que tu l'aimes le voisin, tu dois aimer d'abord Dieu et ensuite tes parents et ensuite tes, frères et sœurs et les, les, comment dirais-je ceux qui sont à côté de, les voisins hein, et dans la religion musulmane les gens à un moment hein, la, femme du prophète salut sur lui à un moment il a, elle a dit que le prophète a dit aime ton voisin aime ton voisin par deux fois la troisième fois il dit que ben, elle a cru qu'à un moment le prophète va dire que ton voisin peut même t'hériter en cas de décès hein, donc pour ceux que, pour ceux que nous enseigne la religion, il est hors de question. Il n'y a pas un seul euh, moment de, de relâchement dans ce sens-là. Et que ceux qui tuent au nom de, de la religion, c'est les ennemis même de la religion, en réalité. Les ennemis de la religion, ceux qui tuent au nom de la religion, ce sont les ennemis de la religion. Euh, Madame Sani. Oui, c'est ça les ennemis de la prospérité parce que c'est qu'ils avons le cas de Boko Haram à l'Est. Oui, bon, euh, Boko Haram, ça, ça, ça, qu'est-ce que je peux dire Ça, ça c'est même pas une religion. Quelqu'un qui va venir tuer un être humain, quand même. Hein? Ça, Moi, je ne sais pas comment, comment qualifier les gens cela. Ça, c'est hors même la religion. Ça, c'est pas une religion. C'est d'autres buts, c'est d'autres dessins. Hein? C'est d'autres objectifs qu'ils poursuivent. Oui, parce que tuer quelqu'un, parce que euh, Dieu a dit dans le Coran, eh, eh, eh, nafsan tout celui qui a tué un être humain c'est comme il a tué tous les êtres humains du monde hein? tous les êtres humains, sacrés. mais par comment tu vas tuer plus de centaines de personnes quand même hein? où est-ce que tu vas avec ce, péché là hein? ça c'est pas la religion hein? Ça, ça, ça c'est ça qu'on appelle. C'est même pas des extrémistes. Parce qu'un extrémiste, il connaît l'islam. Il était devenu extrémiste. Ça, c'est des bandits. C'est des bandits armés. qui parlent des armes pour aller tuer quelqu'un au nom de, de la religion. Alors que l'islam ou les chrétiens ou les judaïsme n'ont jamais vu ça, même dans le livre, dans leur livre. Mais ça, c'est hors l'islam et ça, c'est hors les chrétiens. Parce qu'un chrétien ne peut pas tuer quelqu'un. Un, musulman ne peut pas tuer quelqu'un parce qu'à cause de sa religion. Hein. Euh, Père Jean-Baptiste quand vous voyez euh, ce qui se passe à l'est de Difa, Boko Haram qui, qui dit qu'il euh, la secte Boko Haram qui dit qu'elle lutte pour la promotion de la religion. Vous êtes interpellé en tant que chrétien Oui, je suis interpellé. Vous savez, c'est comme il a, il a dit, c'est l'ignorance de notre foi qui amène à ça. C'est l'ignorance ou oui, c'est l'ignorance. Vous êtes sûr que, ces gens euh, ne connaissent pas le Coran par exemple Non, sans doute, ils connaissent le Coran. Moi, je ne, peux pas donner ce jugement-là. Mais là où je peux donner un jugement, c'est là où on tue à cause de Dieu. Là, euh, c'est déjà arrivé dans l'histoire euh, de l'Église que les chrétiens aussi tuent à cause de la foi. Hein, c'est déjà arrivé. Alors, donc, euh, il ne faut pas qu'on jette. Euh, mais aujourd'hui, c'est devant vous. Et qu'est-ce qui a amené ça, justement Aujourd'hui, <coughs> aujourd'hui, nous avons, j'allais dire, je peux dire, évolué. Hein. dans la connaissance de notre foi, C'est pas encore suffisant, hmm. mais nous avons évolué et nous avons compris qu'en toute circonstance, c'est l'amour. Hein. en toute circonstances, et quand nous voyons le comportement de Jésus. Parce que euh, Jésus a prêché, mais là surtout, il s'est comporté. Un jour, un jeune homme est venu le voir pour dire, ah, qu'est-ce qui, va, qu'est-ce qui me manque pour que je gagne le paradis Et Jésus lui a dit, il faut suivre la parole de Dieu. Et le jeune homme dit, ah, depuis ma naissance, j'essaye de suivre la parole de Dieu. Et Jésus lui dit, c'est très bien. Maintenant, ce qui te reste, tu es trop riche. Ce que tu as là, vends tout, donne aux pauvres, partage et viens, suis-moi. Il avait. Le jeune homme qui était très riche, nous dit la parole de Dieu, il a secoué la tête et il est parti. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est l'attitude de Jésus. Jésus aurait pu dire, attrapez-le, ramenez-le moi. Non, Jésus l'a laissé partir. Parce que tout ce qui concerne Dieu, c'est une adhésion libre. Ce qui nous reste, nous, c'est de prêcher, c'est de sensibiliser, mais la conversion, c'est appartient à Dieu. C'est comme le cultivateur. Nous allons prier pour que Dieu nous gratifie d'une très bonne saison de pluie. Mais le cultivateur, quelle que soit la famine, il ne peut pas tirer l'épi, sortir. Il faut qu'il soit patient. Son travail, c'est quoi Semer, bêcher, sarcler. Et le reste, ça ne lui appartient pas. Comment le mille grandit Comment il sort l'épi, lui, il ne sait pas. Et il ne peut pas précipiter. C'est vrai, les savants sont en train de trouver. dans, des situations comme ça que nous vivons, vous avez, fait vous avez posé des actions, vous avez posé des actes je dis, les actes, c'est le comportement des comportements d'amour et de pardon. Mm. Euh, est-ce que par exemple vous êtes allé à Difa, un exemple Oui, moi personnellement je ne suis pas allé à Difa, mais on connaît oui, euh, de nos communautés, oui. oui. oui, qui sont allés à Difa. Et il y a une vedette dans, notre paroisse qui a euh, deux ou trois fois fait des, de récolter des habits et autres pour partager. Nous avons la CADEV, Caritas Développement, qui œuvre beaucoup à DIFA et qui, qui va et qui, essaye de poser en un acte concret notre participation et notre charité. Aussi modeste soit-elle. Voilà, aussi modeste soit-elle. Mhm. Et, passe pas que à, DIFA. Euh, de l'autre côté, de la région de Tilabéry, nous, avons euh, un projet qui s'occupe des réfugiés qui sont venus du Mali voilà. Et à Ayoru, par exemple. Hmm. Et ils ont dit, bon, la population de les a accueillis. Il ne faut pas qu'on amène un projet dirigé seulement contre, pour les réfugiés. Il faut qu'on associe la population d'Ayoru. On appelle la population eh, eh, qui accueille. Donc il y a un projet qui prend en compte les réfugiés et la population. C'est petit, mais, ça ne fait rien. On fait eh, ce, petit geste D'accord. Alors, des, actes concrets Bon, des actes concrets, disons que nous, zones, au niveau de nous avons déjà été à DIFA, où nous avons tenu un atelier là-bas avec euh, tous les religieux aussi bien des CEDIR régionaux, donc euh, de, DIFA, Maradi, Zender, Niamey, et puis euh, l'observatoire d'Agadez. Mmh. On a tenu des ateliers où on a discuté, on a, bon, on a vu la région entre Niamey et DIFA pour qu'ils vous faites le trajet, vous allez voir, constater de visu hein, vraiment la souffrance euh, qui est là, parce que je connaissais fois avant ces, ces événements, donc je sais qu'à l'heure actuelle, vraiment, nos frères et sœurs de la région sont en train de vivre des situations vraiment... Et euh, quel effet votre intervention Notre intervention, c'est toujours au niveau de la sensibilisation, puisque c'est tout ce que nous pouvons en tant que leader religieux, c'est toujours demander comment dirais-je, euh, que les gens aient un changement de comportement, un comportement de tolérance et surtout de, dialogue. Dialoguer surtout parce que nous savons que ceux qui sont instrumentalisés aussi, il y a certaines causes qui, font qu'ils étaient vulnérables parce que il, manquent de tout. il suffit que des individus mal intentionnés leur proposent hein, Hein, euh, un moyen pour mieux vivre, ils sont prêts à le suivre. Hein, au péril de leur vie. Oui, ça, ça rejoint la question du développement. ça les gens n'ont pas du boulot, les gens n'ont pas du travail. Justement, donc, donc, les, mauvaises euh, comme redistribution aussi de richesses en, sont également euh, la cause. Madame Zani, on va conclure un mot <coughs> à l'endroit des fidèles pour la culture de la paix en quelques 30 secondes. Tu sais, Après, on va euh, passer à Jean-Baptiste. Euh, euh, il y a un verset qui disait dans le Coran Inna Allah la Dieu ne changera jamais le comportement d'un homme. Mais c'est toi qui changes tes comportements. Et Dieu bah, t'aide dans le verre. Voilà. Bah, tout ce qui, qui, se passe au niveau du Boko Haram, il y a deux cas. Il y a l'ignorance et la pauvreté. On donne de l'argent à un enfant qui n'a jamais vu 10 000 francs par mois ou bien on lui donne 500 ou 300 000. Hein, pour aller éteindre une bombe de quelque part. Mais tu sais que ça, c'est la pauvreté. Hein. Encore le grand problème, l'ignorance. Si quelqu'un sache que Dieu a interdit de tuer quelqu'un, lui, on lui donne de l'argent pour aller tuer quelqu'un, tu sais, c'est de l'ignorance. Donc, euh, le deux cas, c'est l'ignorance et la pauvreté. Donc, euh, comme mes frères ont dit, il faut bien sensibiliser les gens, d'avoir un appel aux autorités. Comme euh, Père l'a dit, de rencontrer entre nous les chrétiens pour faire des prêches ensemble. Ça, c'est une bonne initiative d'avoir, ou bien à la télé, ou bien quelque part pour faire des tous les canaux, tous les canaux possibles pour porter le message de la paix. Père Jean-Baptiste, on conclut avec vous rapidement. Oui. Aux fidèles, cultivons la, paix. Voilà, cultivons la paix, ayons des comportements de paix, des comportements d'amour et montrons que nous aimons ce pays, que nous voulons son développement. Parce que ce pays ne peut pas se développer en dehors de la religion. Donc le développement de la culture, de la, différence et du respect de l'autre. Merci beaucoup pour cette conclusion, Père Jean-Baptiste euh, euh, Kafandou. Euh, merci à vous, Alouhamma Meika. Merci à vous, Madame Sani Suleiman. Vous étiez là, nous avons discuté de la culture de la paix à travers les religions musulmanes et chrétiennes. Merci pour votre participation. Bonne soirée à tous.